Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Ali Moukela alias Seno et avec moi Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam, comment vas-tu Oui, je vais très bien Seno. Alors, à quoi nous mener ce matin Comme d'habitude Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec euh, un flash d'information pour commencer de la bonne musique nigérienne sera servie. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons justice, justice comme chaque lundi. Comme invité ce matin, nous recevons Moumine Haruna Lolo, président du club des étudiants au département des mathématiques et informatiques, pour parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle en milieu scolaire. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport. Pour l'écho des régions, nous irons à Zander, pour, euh, plus précisément à Matame, pour euh, voir comment ce font les préparatifs des chants à l'approche de la saison hivernale. Du avec les femmes du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique, nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki et à la technique ce matin nous avons Abdelkader Chambiano. suite le flash d'informations avec Rafika Tahir Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, bonjour Seno. Bonjour. Alors, nous allons débuter ce flash avec l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Octis en collaboration avec les FDS qui a mené une opération coup de poing dénommée Tourbillon dans la ville de Niamey la nuit du 26 au 27 avril 2024. Au total, 148 individus ont été interpellés d'énormes quantités de cannabis, de crack, de tramadol, des dispositifs de chicha et des produits pharmaceutiques contrefaits, ainsi que des véhicules, des motos et des armes blanches ont été saisis. Cette opération a concerné cinq axes de la ville de Niamey, avec pour cible les lieux de vente et de consommation de drogue dans l'objectif de détecter et neutraliser les réseaux existants et naissants de vente et de consommation de drogue, avec un focus sur les leaders opérants sur les différents lieux de vente et de consommation de drogue. Ensuite, l'association nigérienne de lutte contre la corruption section de transparence internationale Niger a rendu public le vendredi 26 avril 2024 un communiqué de presse relativement à l'arrestation des journalistes Ousmane Mahamman Toudou et Soumane Idrissa Maïga. L'organisation condamne ces arrestations et appelle à leur libération. Selon les informations reçues, Soumane Maïga a été arrêté en relation avec un article publié dans son journal journal qui citait une source externe concernant l'installation présumée de dispositifs d'écoute sur des bâtiments publics. Et enfin, à l'international, c'est parti pour la 21e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2024. La ville de Bobo Dioulasso vibrera ainsi du 27 avril au 4 mai 2024 au rythme de cette biennale de la culture. Le clap de lancement des activités a été donné le samedi 27 avril au stade Omnisport Sangoul et la Misana de Bobo Dioulasso. L'événement se veut une vitrine de valorisation et de promotion des identités et expressions culturelles des communautés du Burkina Faso. Le Niger entend marquer sa participation à ce grand rendez-vous conduit par le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, le colonel-major Abdraman Amadou, à la tête d'une cinquantaine de personnes. Voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour euh, ce flash euh, info. Excellente journée à toi. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous recevons ce matin Moumune Haruna Lolo, président du club des étudiants au département des mathématiques et informatiques. Bonjour Haruna. Bonjour. Avec vous, nos échanges se porteront sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, mais avant de donner la parole à notre invité, euh, on vous laisse découvrir le tout premier son de notre émission. Il s'agit de... Bachir Agenti Mirador qui nous revient avec les titres Terre perdue de loin. Ça ressemble à une terre morte, les vents soufflent, les dunes du sable se déplacent. La pluie tombe et les claquements des feuilles d'arbres orchestrent une mélodie en il paraît que, que cette terre est loin d'être parfaite. il paraît qu'aucun être humain n'a choisi sa destination sur terre. il paraît qu'on marche tous dans l'obscurité en cherchant la lumière. il paraît qu'on a tous la vie sur le fondement de la naissance et de la mort. Et il paraît même que, que chaque être humain viens de quelque part avant d'être légende, quelque part. Alors moi je viens de la terre morte selon les dires. De là où l'armatan tape à perpétuer les tambours battants, là où on danse les nuits autour d'un grand feu sous les rythme des en savourant le thé La terre des girafes à l'air libre, terre des dromadaires. J'ai navigué sur les fleuves d'Oliba consommé du cocteau et me soigner avec du quinquelba. J'ai été parfumé avec du enceinte chez les Kanouris. Consulté un voyant à la décorie, Invoqué de bois pour des mystères inconnus, manger du criquet et du kilchi bien cuit. Je vis des villes entourées par des grands rochers, sentir la chaleur ardente du Sahel et l'humidité de la zone soudanienne. J'ai échangé avec un griot, roi de l'éloquence. Voix fine, l'algueta l'accompagnait, les carangos assurés et la cadence était parfaite qui m'a tracé entre les lignes l'origine de l'homme. Je viens d'une terre perdue, ce n'est point un fardeau, oui. Je viens d'une terre perdue, ce n'est point un fléau. la terre des pères, la terre mère. Je suis le fruit de la toute première grande civilisation. Je viens de la terre des architectes, l'empire des pharaons et des pyramides coquettes. Je viens de la terre de l'eau, la mer des mers, terre des pêcheurs, dieu des vagues. De là où on se baigne de la mer pour se purifier l'esprit et rendre grâce aux ancêtres. Je viens de là où règne la culture vaudou, source du savoir, de la science par la nature, l'art cohabitation du profane et du sacré pour guider les âmes perdues, chasser l'esprit fou et rendre grâce aux divinités. Je consommais du foufou, purifier ma gorge avec les sodabi pour rendre puissant mes dires. Voir mes frères la côte, avaler de la braise pour se purifier la parole. Je contemplais du haut d'une falaise le réveil des morts, rassemblement des sages, rituel au nom de nos ancêtres l'appel aux esprits de nos aïeux pour visiter la terre et y mettre leur bénédiction. Je vis la danse des vierges, des jeunes filles torse nues dansant pour une fierté sauvegardée. La famille autour, les sourires au visage. J'ai à moi le sang de l'esclave, maître de son destin, qui m'a servi de boussole jusqu'à ma provenance et l'origine de l'étiquette noire sur ma peau. Alors pour annoncer mes retrouvailles, la calebasse a résonné à mon honneur toute la nuit pendant que moi j'ai dansé du takamba. Et maintenant que j'ai les rythmes dans les sangs. Faire perdit la collaboration entre les à Nigéria, Bachir Gentil et les jeunes rappeurs à Mirador est un morceau qui franchit les frontières de la musique pour capturer l'essence même de l'expérience humaine. Et oui, euh, Mariam, à travers euh, des paroles poignantes et une instrumentation captivante, les deux artistes nous amènent dans un voyage émotionnel au cœur des défis et des espoirs de leur terre natale, avec une fusion unique de slam et de chant. Il offre un message puissant de résilience et de réflexion sur les réalités du monde contemporain. Terre perdue résonne comme un appel à l'action et à la compréhension mutuelle, faisant de cette chanson un véritable hymne pour ceux qui cherchent à comprendre et à célébrer la diversité et la beauté de l'identité culturelle africaine. C'était là notre première note musicale dans cette émission, le Niger sur Kalangu. Et oui, on va se tourner euh, vers notre invité du jour. Il s'agit de Moumouni Haruna Lolo. Rebonjour. Oui, rebonjour, euh, bonjour, c'est nous. Alors, euh, dites-nous, Lolo, c'est quoi l'intelligence artificielle Ok, et merci. Et surtout à Studio Kalangu de m'avoir accordé la parole pour discuter sur la question de l'intelligence artificielle. Euh, donc c'est Ibrahim Mouni Harouna. Je suis le président du cours maths informatique, étudiant en master option calcul scientifique, donc mhm. euh, à l'université Abdou Mouni de Niamey. L'intelligence artificielle, et euh, je peux la définir comme une technologie mise au point pour simuler l'intelligence humaine à travers des algorithmes. Donc c'est sur cette manière je peux définir l'intelligence artificielle. Donc c'est une manière aussi et l'intelligence artificielle, c'est pour faciliter la vie à l'être humain. Voilà ce que je peux, en quelques mots, et ce que je peux dire sur l'intelligence artificielle. Alors, selon vous, en quoi l'intégration de l'intelligence artificielle en milieu scolaire peut-elle améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants en général, en particulier ceux du département de mathématiques et informatique Ok. Et vous savez, l'intelligence artificielle, dans ce monde du 21 siècle, c'est normal que qu'il y ait une intégration de, de l'IA au sein du système éducatif. Et aujourd'hui, quand vous prenez euh, les pays développés comme l'Amérique euh, et les, la France, aujourd'hui, l'IA a été, déjà intégrée dans le système éducatif. Donc, euh, par rapport à son l'implantation de le système éducatif du Niger, je crois que ça serait une bonne chose. Ça permettra de un et aux étudiants, que ce soit les étudiants, les élèves, ça leur permettra de mieux s'orienter par rapport aux sujets ou aux thématiques qui leur sont données dans leurs cours. Et c'est le lieu aussi de vous dire que nous étant le club, cette année nous avons et la journée scientifique que nous allons tenir qui va parler de l'IA. Le thème est l'intelligence artificielle et les sciences mathématiques dans un contexte de refondation du système éducatif nigérien. Vous voyez pourquoi on parle de l'IA et des mathématiques C'est pour vous dire qu'ils sont liés au fait, parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle de l'algorithme. Et derrière cet algorithme-là, il y a ce qu'on appelle les matrices. Les matrices de la mathématique, ça nous permet aujourd'hui de, et de, de faire aujourd'hui des simulations. Et la simulation, elle est dans le côté de la mathématique. Je ne sais pas un peu si vous comprenez ce que je suis, parce que c'est un langage purement mathématique, mais en langage simple, je peux vous dire que l'IA, au fait, c'est comme sa face derrière. C'est de la mathématique qui est derrière l'intelligence artificielle. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont liés, au fait, pour être quelqu'un qui, qui fait de la programmation de l'intelligence artificielle, il faut quelqu'un qui maîtrise de la mathématique. Mm. Donc, dans le système éducatif, nous avons besoin de l'IA pour permettre aujourd'hui à nos étudiants et aux élèves aujourd'hui d'avoir une capacité au-delà de l'imagination. Parce que à travers l'intelligence artificielle, vous voyez comment les réflexions, comment les idées sont données à travers l'IA. Donc le cerveau humain, c'est le cerveau humain qui a créé cette technologie, mais quand même, quand aujourd'hui l'intelligence artificielle vous donne des réponses, vous comprenez que en fait, c'est un niveau head level. Est-ce que vous comprenez mm. Voilà un peu ce que je peux dire sur la question de l'IA dans le système éducatif. C'est noté. Alors, quels sont les, principaux défis euh, ou risques associés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation Ok. Vous savez, toute chose a de l'inconvénient. Moi, je vois que toute chose qu'aujourd'hui, on sent que même le téléphone aujourd'hui, il a son inconvénient. Donc il y a aussi un inconvénient, c'est le fait au fait de ça va dénaturer les élèves. Ça c'est l'un des premiers caractères. Mm. Parce que si aujourd'hui les élèves du secondaire, même les étudiants, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, pas même au Niger, c'est que nous constations aujourd'hui, si vous donnez des devoirs de maison aux élèves, ils partent sur ChatGPT, il copie seulement. C'est qu'il les rend paresseux, non C'est exactement ce que je veux dire. Mm. Ça veut dire que l'IA, voilà l'inconvénient de l'IA. Mm. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, ça crée des pathogènes. L'IA crée des pathogènes et la cybersécurité. Quand on parle de. Parce qu'à travers l'IA, il y a des suralimentations de la diffusion des fausses informations mm. que les gens peuvent faire. Aujourd'hui, à travers l'IA, les gens peuvent. C'est-à-dire quelqu'un qui ne mérite pas. Quelqu'un qui ne mérite pas avoir du mérite parce qu'on pense que c'est ses idées. Pourtant, c'est pas ses idées, mais c'est l'IA qui l'a aidé à le faire. Mais bon, Dieu merci, aujourd'hui, il y a des systèmes. Comme je l'ai dit, c'est l'être humain qui l'a, qui l'a inventé. Et c'est l'être humain qui a créé, qui a fait en sorte qu'il y a une autre eh, application ou bien un logiciel qui permet quand tu copies un devoir ou bien quand tu fais des recherches et que tu copies textuellement ce que le ChatGPT t'avait donné, mhm. c'est qu'on peut comprendre parce qu'il y a des matériaux ou bien il y a un logiciel qui permet aujourd'hui de détecter cela. Donc vous voyez, il y a un inconvénient. Donc ça permet de ne pas avoir, ça permet aux élèves de ne pas avoir cet acquis-là naturel. C'est-à-dire, quand je parle de l'acquis naturel, quand vous étiez par exemple au CICP, parce que c'est quelque chose de naturel, on nous a appris à, lire avec la famille Boda et tout. Et aujourd'hui, si on intègre l'IA, c'est un problème parce qu'on va se dénaturer et on va se sentir moins et on va se sentir et comment dirais comme on est des robots. Voilà moi ce que je peux dire sur la question des inconvénients de l'IA. D'accord, euh, Lolo, s'est noté. Euh, on retient quand même que dans cette euh, première partie de notre échange, vous avez parlé de l'intégration de l'IA. Vous souhaitez en tout cas c'est que l'IA soit intégrée dans le système éducatif. Mmh. Vous avez également expliqué quelques inconvénients que cela peut entraîner. Et, hum, avant de continuer, faisons un autre tour en, en musique avec le son Lago et la gola de l'artiste Liu. elle est Côté. Elle est belle à côté Partout je l'ai notée, de tous mes atouts de l'a dotée. Marcher à ses côtés. i am je l'aperçois, mon monde est illuminé. Je peux pas bouger, je suis figé, enraciné comme un piquet pipi dans ma snipe. Je suis touché, j'en tire mon navire est coulé. Le sourire de Lago m'a piqué, son charme et ses formes ont envoûté. Je voudrais tellement lui expliquer qu'elle me donne envie de kicker. On aura que son physique Se combine pour inspirer mes lyrics Un voyou veut bien jouer les dociles Pour elle les mauvais garçons ça s'agisse Elle est plus à côté Elle est belle à côté Partout je l'ai notée De tous mes âges Dieu l'a dotée Marcher à ses côtés Heureux de tous les mecs du quartier Avec son déhanché Lagola est un morceau captivant qui vient enrichir la scène musicale nigérienne grâce au talentier Lio. Dans cette chanson, Lio peint le portrait d'une fille qui attire tous les regards dans son quartier avec sa beauté éblouissante. Et oui, à travers des paroles percutantes, l'artiste nous plonge dans l'univers de cette jeune femme qui captive l'imagination de tous les garçons qui croisent son, qui croisent son chemin. Avec euh, une euh, rhétorique subtile et des rythmes envoûtants, Léo offre euh, une ode à la fascination et à l'admiration qu'une telle personne peut susciter. La Gola est bien plus qu'une simple chanson, c'est une célébration de la beauté et du pouvoir qu'elle détient sur ceux qui ont la chance de la croiser. C'était là le titre l'agola de l'artiste Lio. Poursuivons avec nos échanges, je rappelle que notre invité du jour d'aujourd'hui est Moumouni Haruna Lolo, président du club des étudiants au département des mathématiques et informatiques. Et nos échanges portent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, on a parlé des chats GPT, c'est ça, non Exactement. Voilà, mais est-ce qu'avec ces applications-là, ça va pas rendre les enfants médiocres et tout Et c'est ça, je l'ai dit, c'est ça l'inconvénient mhm. en fait de l'IA donc ça, aujourd'hui, si nous intégrons l'intelligence artificielle dans le système éducatif, peut-être c'est de trouver une manière, mais pas de donner accès libre aux élèves. Ça, je parle des élèves du secondaire. Mhm. Quand bien même aux étudiants, aujourd'hui, quand tu prépares la mémoire, que ce soit en master, que ce soit au doctorat, il y a ce qu'on appelle une cellule anti-plagiat à l'université que tu dois soumettre pour vérifier. Donc, euh, pour vérifier, est-ce que Aujourd'hui, tu as utilisé, qu'est-ce que tu as fait du plagiat Donc c'est pour vous dire, l'IA, c'est, il faut savoir l'utiliser au fait. Il faut que aujourd'hui les élèves, ou que ce soit les élèves, les étudiants, c'est juste un moteur. C'est comme un moteur de recherche comme Google. Mhm. Mhm. Il suffit juste de voir et de, et de puiser quelques idées. Mais toutes les idées nécessaires devront sortir au moins de notre cerveau. Parce que nous sommes des êtres humains. C'est un être humain qui l'a créé. Ça veut dire que pour moi, l'homme est plus intelligent que l'IA. Donc voilà ce que je veux. Donc pour vraiment, pour, euh, dans, le cadre, je ne sais pas si nous sommes prêts aujourd'hui au Niger à l'intégrer parce que connaissant les Nigériens, connaissant le niveau des élèves aujourd'hui, si nous, intégrons l'IA de système éducatif, nous risquerons d'avoir des robots en train de circuler dans la ville de Niamey ou bien au Niger. Voilà ce que je peux dire. Alors, Haroun, est-ce qu'il y a des préoccupations éthiques particulières liées à l'utilisation de l'IA dans l'enseignement des mathématiques et de l'informatique Ok. Et je l'ai dit au début, oh. c'est de l'algorithme qui est caché derrière l'intelligence artificielle. Parce que, très sincèrement, au début, quand on parle de l'intelligence artificielle, moi, je fais référence au début à des informaticiens. Peut-être quelqu'un qui est bien calé dans le domaine de l'informatique. Mais c'est après qu'on a su que derrière, il y a un langage algorithmique, il y a de la probabilité aussi, il y a de la statistique. Parce que quand vous prenez l'intelligence artificielle aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, du commerce, vous voyez, la réponse que l'IA est en train de vous donner quand vous posez des questions, vous allez voir, il y a même des chiffres. Ils sont capables de vous donner des chiffres. Et ces chiffres-là, c'est parce qu'il y a de la statistique, il y a de la probabilité derrière. Hmm. C'est pour vous dire que et il y a un lien entre l'IA et les sciences mathématiques. Mhm. Ils sont liés. Donc voilà moi ce que je peux dire par rapport à ça. Une petite question. Euh, vous avez parlé de l'intelligence artificielle dans le domaine euh, médical. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, des docteurs peuvent faire des consultations à travers l'intelligence artificielle Bon, moi, je ne peux pas dire vraiment exactement hmm. si oui, les médecins peuvent faire des consultations, mais je sais que L'intelligence artificielle permet de diagnostiquer et de faire une optimisation des méthodes de traitement bien précis, au fait. Voilà ce que peut, faire l'IA. Mais je ne sais pas si aujourd'hui nos médecins, ou bien si les médecins même dans le monde, dans le monde entier, est-ce qu'ils sont en train d'utiliser l'IA dans le cadre des traitements des maladies Là, je ne je, je, sais, pas vraiment, parce que, parce que l'IA aussi, c'est des domaines il y a les machine learning, il y a, deep learning, il y a beaucoup de domaines qui sont dans, le côté de l'IA que c'est pas ça dépend en fait des domaines que la personne est en train d'étudier qu'il peut comprendre voilà est-ce que l'IA peut intervenir dans ce domaine hmm. alors euh, comment les institutions éducatives peuvent-elles atténuer les risques potentiels liés à l'utilisation de l'IA euh, tout en maximisant ses avantages dans l'enseignement des sciences ok donc euh, si peut-être aujourd'hui au Niger, et le, ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement sup, décide d'intégrer l'IA dans, le système éducatif, c'est qu'il faut faire une campagne de sensibilisation. Parce que c'est comme, euh, c'est comme de la bière, hein, je vais faire un peu euh, très pour vous expliquer, c'est comme de la bière. Tu prends un verre, peut-être s'il fait froid, tu prends un verre, c'est pour te soulager. Mais si tu oses prendre au-delà de ça, tu risques de saouler. Donc c'est comme ça lié à L'intelligence artificielle, je peux expliquer ce cas. Si si aujourd'hui il y a une campagne de sensibilisation et aussi une modération d'utilisation, il faut peut-être s'il y a des salles dans le secondaire qui permettra aux élèves de rentrer faire des recherches et sortir uniquement dans la salle, ils ont accès uniquement à la salle. Là c'est bon. Mais si au-delà de ça, on leur permet d'avoir accès même dans leur téléphone, là c'est dans le cadre, ça part de la tricherie, ça part dans le cadre du fainéantisme ils vont ils vont pas ils vont pas aller faire des recherches. Donc voilà, vraiment, euh, si même s'il y a l'intégration de, l'IA dans le système éducatif, c'est de faire une campagne de sensibilisation d'abord, même, à, même dans le côté universitaire. Alors, euh, avez-vous un conseil à tous ceux qui utilisent euh, l'intelligence Je pense bien, vous avez ça, c'est un conseil adressé aux autorités en charge euh, de l'enseignement euh, secondaire et supérieur. Donc là, concrètement, pour ceux qui utilisent euh, l'intelligence artificielle, avez-vous des, conseils à l'endroit de ces personnes Ok. Moi, le, le seul conseil que je vais donner, hmm. je vais dire à tous les gens qui utilisent l'IA, c'est de rester naturel. Hmm. Restez vous-même. Même quand vous allez faire un discours. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand la personne va faire un discours et qu'il va utiliser l'intelligence artificielle, on peut le comprendre parce que ça dépend. Chacun de nous aujourd'hui a un niveau intellectuel qu'on peut comparer. Si aujourd'hui, il faut être naturel dans tout ce que nous sommes en train de faire. Moi, je me dis, quand vous utilisez l'intelligence artificielle, il faut être comme euh, et, comme on l'a dit. Il faut juste être malin. Mhm. Il faut savoir quoi puiser, juste quelques trucs. Et puis tu mets tes idées, puis ça vient. Dans tous les cas, nous sommes là dans un monde où, quand tu fais le beau discours, on va t'acclamer, ou bien quand tu, quand tu fais des, beaux des, bonnes recherches, aujourd'hui, tu seras acclamé. Voilà, moi, ce que je, vais dire aux gens, de faire très attention à l'intelligence artificielle. Si nous continuons à prendre ça par accès, ça risque de nous amener à la perte. Donc voilà, moi, le conseil que j'ai à donner aux gens. Merci infiniment à vous, euh, Moumouni Haruna Lolo, d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Prenons une petite pause et on se reprend juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalango. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. nous à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à la justice. Oui, Mariam, la violence sexuelle euh, ou viol fait euh, partie des, violences basées sur le genre VBG. Euh, le, viol, le viol, est un crime qui est prévu et puni sévèrement par les codes pénal nigériens. Garba Issoufou Oubeda, juriste et membre de l'Association des femmes juristes du Niger, AFJN, explique vers qui une victime de viol doit se référer pour porter plainte. Elle est au micro de Rafika Ataer. Vers quelle structure les cas de viol doivent d'abord être référés C'est à la police qu'on doit référer les cas de viol pour avoir plus d'éléments de réponse par rapport à, au viol. Voilà, elles ont leur brigade dans tous les commissariats de police de Niamey, la ville de Niamey. Donc, euh, c'est au niveau de ces brigades-là de division de, protection de femmes et de mineurs qui sont référés les cas de viol et même tous les cas de VBG. Qu'en est-il des cas de violence basées sur le genre en général Quand vous allez prendre les structures en tant que telles, c'est difficile, c'est rare que des cas de viol viennent directement eh, au niveau des structures euh, de prise en charge des OSC. Et même si elles viennent au niveau de ces structures-là, elles le réfèrent à la minute prête à la police. Parce qu'elles ne prennent pas, elles ne sont pas habilitées à prendre en charge ces cas de VBG. Donc directement, c'est à la police qu'on doit le référer et c'est à elle de faire le reste de la procédure, l'expertise médicale, jusqu'à aller à la justice et ainsi de suite. Oui. Et si on arrive à les résoudre à notre niveau, c'est bon. On les envoie tout de même au niveau des TAC, les tribunaux d'arrondissement communaux de leur ressort, pour matérialiser si c'est une conciliation qu'on a eu à, faire et si aussi le cas nécessite euh, une intervention judiciaire, on le refait au niveau du tribunal d'arrondissement communal du ressort des plaignants ou de la plaignante pour la suite, par exemple pour la garde des enfants, pour des divorces, ainsi de suite. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là la rubrique hebdomadaire. Marquons une euh, autre pause musicale, n'est-ce pas, Mariam Oui, c'est nous. Je propose le titre Toujours Envie vide d'Amiral JC. Je n'ai jamais voulu chanter je voulais rester dans ma vie Les années passent, j'ai constaté, il y a toujours un vide my life. Elle avait mon besoin de cette I qui laisse C'est ma life. Elle avait mon besoin de cette I Je n'ai jamais voulu rejeter, J'ai voulu rester dans ma vie Les années passent. J'ai qu'il y a toujours envie. C'est ma life. Elle avait mon besoin de cette I qui laisse C'est ma life. Elle a vraiment besoin de sexe. I can't Petit à petit, ma tête me revient. Je reviens au milieu du chemin. À quoi s'attendre à quel geste Même pas grand chose, mais ça serait trop bien. Mon expérience fait comme mon espoir. Mon bref passage, je frappe son histoire. Tu vois, je prends pas les avenues. Oui, je longe toujours les raccourcis. La vie s'est rétrécie, donc chaque moment vécu, moi je l'apprécie. Un jour viendrai, je serai énorme, homme, espérant que l'image soit bonne. Le reflet dans le yeux de cet homme, Ce qui s'est barré avec beaucoup de temps de fille. Ah, deuxième état de plus de lucidité, laissez épanouir mes c'est sens interdit. J'ai le tellement de théories que dans ma tête ça devient de la folie. Imaginez des tonnes d'ennemis hum, qui croient tout et n'importe quoi. Hum, qui te donnent même pas les choix, je sais même pas pourquoi un vrai casse chinois. À ce qu'il paraît la nuit pour conseil, tu pars et n'arrives pas à porter sommeil. Mes nuits blanches et l'air détail, matin dans les nids, je rêve de coucher le soleil. juste juste, j'ai veut, le hic, le franchise, je mastique le hip hop. De mafia boys à Espaclara, à Paxam, amiral, JC, fortifie sa musique. Je n'ai jamais voulu chanter, j'ai voulu rester dans ma vie. Les années pas. j'ai contrarié. n'est n'est pas une fatalité. m'excuse, souvent moi je m'isolais, j'ai chanté dans mon coin et je m'y suis plus. C'est si de là que j'avais compris que moi, ami agissait et la musique on est Et c'est pour cela que je demande la compréhension et des autres. Je n'ai jamais voulu me chanter, je voulais rester dans ma vie. Mais ça n'est pas ma race, j'ai comme ça. une œuvre, emblématique de l'artiste Amiral JC, à travers ses titres poignants, l'artiste partage avec une sincérité captivante de son parcours émotionnel, de son lien indéfectible avec euh, la musique. Et oui, à travers les paroles euh, de ce titre, Amiral JC invite l'auditeur à plonger dans les méandres de sa propre introspection, à réfléchir sur les liens qui nous unissent à nos passions les plus profondes. Après cette pause musicale, c'est nous on passe à l'écho des régions qui nous amène à Zander. À Matamé dans le département des Cantiers, région des Zander, les préparatifs de la saison hivernale vont bon train. Et oui, du côté des agriculteurs, l'air est à l'acheminement des engrais, décortiquage euh, euh, des graines d'arachide, euh, préparation des champs et l'acquisition de certains outils. Reportage signé Habou Sarki Saleh. Chaque année, à pareil moment, les agriculteurs du département de Matamei commencent à préparer leurs champs pour accueillir la saison des pluies. Le défrichage, l'acheminement des engrais sont entre autres activités, explique Alaja Habou Dandi agriculteur. kuma gonar ana ɗan shashare inda ya kazamci amma muna da matsala ba matsalar da ke da akwai takin babu shi sai an saya kuma ya yi tsada sai ya tsada kuma ɗauka shi tsada mu da yanzu matsalar mu da taki Ibrahim revient sur le manque d'engrais et sa cherté sur les marchés. Il demande aux autorités de les appuyer en produits agricoles. Cependant, ils ont reçu une formation l'année dernière sur comment récupérer les terres arides et cela leur a augmenté le rendement, ajoute Ibra. kuma na cikin cin shi inda muke dame goma yanzu talatin muke arba'in muke alhamdulillahi na sai dai taki ya mana karamci na gargajiya dabobin sun kare ya wuya amma a taimaka mana da yadda aka saba mana da yanzu wannan gwamnati taimaka ya hudu mana samun taki Les forgerons de leur côté se frottent les mains dans la réparation et la fabrication des matériels agricoles comme la la daba et bien d'autres. Maman Salisu, forgeron à Matame, témoigne. musu les préparatifs de la saison hivernale à Matamei sont marqués par une combinaison d'anticipation d'adaptation et de résilience et cela malgré les défis climatiques et environnementaux le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, euh, c'est l'heure euh, pour nous d'attaquer la page sport avec euh, notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit de Adam Sariou qui est déjà avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Seno. Bonjour, Bonjour, Adam. Bonjour Mariam. Alors Adam, avec quoi nous allons débuter cette page sportive Eh bien Seno, direction Agadez où une délégation de la Fédération internationale de football, la FIFA, accompagnée du président de la Fédération nigérienne de football et quelques membres de son staff, était en mission vendredi dernier. L'objectif de cette mission est d'inaugurer le nouveau siège de l'association régionale de football de la région. Notre correspondant d'Agadez, Moussa Mamani, y était également et a accueilli les propos de El Diop, responsable du bureau régional de la FIFA pour l'Afrique de l'Ouest. On l'écoute. Il faut donc mettre euh, les acteurs du football dans des conditions de travail idéales et euh, c'est ce que euh, nous sommes venus inaugurer aujourd'hui pour nous rendre compte de ce qui a été fait sous l'initiative donc du président, le colonel-major euh, euh, Pelé, euh, qui a vraiment eu cette idée brillante, pionnière même, de créer des sièges des ligues régionales dans toutes les régions pour que les gens puissent avoir des bureaux, puissent avoir des unités d'hébergement et un cadre de travail idéal et adéquat pour pouvoir performer tel qu'on le souhaite. Donc c'est une visite très riche. On repart d'ici très satisfait et très motivé. Adam, après Agadez, parlons à présent de la 22e journée de la Superliga du Niger. Mariam, cette 22e journée est surtout marquée par le derby des FDS entre l'AS Garde nationale et l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Après 90 minutes de beau jeu, les deux équipes se sont quittées sur un match nul de 1 but partout. En ce qui concerne les autres rencontres de cette 22e journée, l'Olympique FC de Niamey et Zongorzo Football Club de Maradi se sont quittés sur un score nul vierge. L'espoir FC2 Zender s'offre une victoire importante de 2 buts à 1 face à Liberté Football Club de Niamey. L'Urana FC d'Arlit surprend l'AS Police à Niamey 1 à 0, pendant que la Renaissance Club de Bukoti dispose de l'Akokana Football Club d'Arlit sur le score de 1 à 0 et la jeunesse sportive de Tawa qui bat le Tagour de Dosso sur le score de 1 à 0 également. Alors Adam, euh, dites-nous euh, quelle est la suite du programme de cette 20e journée Eh bien c'est nous ce soir l'AS Douane sera en face de l'AS Nigelec au stade général Séni et le Zumunta sera contre le Sahel Sporting Club au stade municipal. Adam, parlons des qualifications Qualificatif pour les Jeux Olympiques où les jeunes escrimeurs nigériens Evan Abba viennent de se qualifier. Eh bien oui, c'est à l'issue d'un combat vaillamment disputé avec l'Algérien Zacharia, victoire 15 à 10 en faveur de notre compatriote. Evan Abba devient ainsi le troisième athlète nigérien ayant décroché son billet pour Paris 2024, après Abdurazak Alfaga et Nouruddin Isaka en taekwondo. D'autres disciplines comme le judo sont toujours dans la phase éliminatoire. Rappelons que le Niger dispose également de deux places d'universalité en athlétisme et en natation, donc qualifiées d'office. Pour finir, faisons un tour à l'international avec la Coupe de, la Confédération africaine des clubs. On connaît les deux on connaît l'un des deux finalistes auteur d'un très beau parcours en Coupe de Confédération CAF. Les Ghanéens de Dream FC ont été éliminés hier en demi-finale par le Zamalek 3-0. Le Zamalek retrouvera en finale le vainqueur de la double confrontation entre l'USM Alger et le RSB Berkane. C'est tout pour aujourd'hui et à demain pour un autre numéro. Merci Adam Saïdou pour cette information sportive. Dites-nous qui est l'étoile du jour Et oui, Zarma, Zarmaizo, de son vrai nom, euh, Yahya Adamou, est un artiste nigérien originaire de Niamey. Il s'est fait connaître grâce à la musique d'Andali Soyeya, qui est riche en danse et en chorégraphie. Le Dandali Soyeya est une production musicale qui accompagne les histoires d'amour racontées euh, dans la cinématographie Hausa. Le plus souvent, ces films sont réalisés au Nigeria. Cependant, cette musique qui est généralement produite en langue Hausa est aussi très écoutée au Niger où des jeunes artistes comme Zarmezo se sont illustrés à travers ses styles musicaux et chorégraphiques graphique. Voici son portrait avec Ismaël Ajibo, rendu au studio par Samira Rouafi. Yahia a commencé par la danse en 2019, remportant plusieurs prix lors du concours intergroupe Anyami. Plus tard, il s'est lancé dans la musique Hausa, aspirant à se faire connaître au Niger et au-delà de son propre style. Il nous dit ses motivations. Ce qui m'a motivé à être euh, chanteur de Dandali en Germain, c'est que beaucoup, la majorité des gens nigériens confondent les Nigériens qui font Dondeli à ceux qui font ça au Nigeria. Donc, raison pour laquelle je me suis dit, bon, moi je vais faire un germain pour que, quelle que soit la personne, que ce soit Nigérien ou bien Nigérien, sache que celui-là, il n'est pas de Nigeria, il est Nigérien. Malgré les difficultés, il poursuit sa passion avec détermination. Au fil du temps, il s'est imposé sur les plateformes sociales telles que Facebook, TikTok et Instagram – confirmant sa place dans ce paysage culturel nigérien. Son fidèle ami lui rend hommage. So Yahya Zarmaiza eh, mawaki ne na zabarmanci sai in ce dandalin soyayya zarma ya iya waka kuma waƙoƙin shi suna da dadi mai bremen Yahya zo a gawa ne kuma yana kokarin shi kwarai surtu Niger ya kamata su ba shi saboda ya samu courage kuma waɗanda suke saurare eh, waƙoƙin shi kenan suivi sur YouTube, il a réalisé plusieurs chansons d'Andali en Zarma et en Hausa. Yahia et ses danseurs sont souvent sollicités pour des prestations culturelles ou des animations en plein air dans les quartiers périphériques et souvent lors des cérémonies. Sekina, une fan de la chanson d'Andali, nous dit comment elle trouve le talent de Yahia Zarmaizé. Vraiment, je, trouve euh, ce qu'il fait plutôt exceptionnel. Euh, je l'encourage dans ce sens pour euh, vraiment montrer aux jeunes qui font du Dandali Soyeya. Dandali Soyeya, c'est pas seulement un Jarma. On peut montrer Soyeya à travers, comment dire, toutes les langues et surtout la langue Jarma. Mais surtout, d'essayer vraiment d'aller en avant, surtout dans ce sens. Vraiment. Moi, je l'encourage vraiment, il fait du bon travail. Sa passion pour la musique continue de le propulser vers les nouvelles scènes, de nouveaux horizons et le plateau du cinéma. Yahya Zarmaizé rêve grand. Il veut hisser très haut le drapeau nigérien avec cette nouvelle forme de dandeline Soyeya. Merci Ismaël Ajibo pour le portrait. Alors, euh, pour euh, notre quatrième balade euh, musicale, on vous propose El Phoenix Muslim avec le titre Ici c'est On vous laisse kiffer. 2005, 5, Niamey, Niger, Phoenix. J'ai pas mes mots, j'attends le bon moment, c'est automatique. Tu me souris pour de faux, non, ne fais pas semblant, c'est trop pathétique. Ma team authentique, magique, magique. Phoenix est unique. L'Afrique valide le monde panique. Non, ce n'est pas mythique. Salam record en kick. À ses MC, pas de pique. Je suis morveux, se mouche, oh, mais quand même se couche. Du lourd, on avait promis. Ils nous suivent comme des nos têtes, c'est la folie. Prépare-toi à prendre le colis limité, nos talents mérités. Jalousés par les faux MC. Sur le terrain, je les vois paniquer. je les vois paniquer. Rien ne nous effraie, rien ne nous étonne. Même si tu pèses des tonnes, non, tu n'impressionnes personne. Ici, c'est Niamé Ici, c'est Niamé Ici, c'est Niamé Ici, c'est Niamé Ici, c'est Niamé c'est Tu risques de te prendre une droite si tu es un poli. Ici c'est Niamey. You know what we don't play, we fight. Ici c'est Niamey. Posé dans le game, on finit par les tailler. À Burkina Kai, Chikajina. Que le taf qui paye. Tu veux l'oseille, faut que tu veilles tard. Ah, soldat du peuple honné, Tu veux nous détrôner. aussi le talent s'achète par la monnaie. Y'a mon or qui sonne, y'a mon or qui sonne, frère. Ici c'est Niamey. Sortez de folie, folie dans le folie, ma jolie. Ici c'est Niamey. Tu risques de te prendre une droite si tu es un poli. Ici c'est Niamey. You know what we don't play, we fight. Ici c'est Niamey. Posé dans le game, on finit par le tailler. Chez nous, pas de faible non mère. Si c'est dit enfant de boss, c'est boss. Chez nous, gosse de boss, ça bosse. Ils nous ont pas vu venir aller là en force. Ah, mais tu sais, rien, on vient de loin, on faisait beaucoup plus loin. Bamoudaina, Bamoujabaya. Dawaina, fata, kama sagaï. Dawaina, fata, kama sagaï. De deux, 7, ah.

C'était ici, c'est Niamey Delphinix Moussilima. C'est nous, place à présent au loti du jour. Oui, les dépenses ostentatoires dans les cérémonies de mariage sont le sujet euh, abordé dans le loti de ce jour. Le plus souvent, la charge retombe sur le futur jeune marié qui, pour se plier aux exigences de sa dulcinée, pourrait être contraint euh, de s'endetter. Quelle explication donner pour ces dépenses Réponse à suivre avec euh, Zainab Abdou, Aminata Boubakar et Ismaël Harouna. Affairage, affairage, affairage, affairage. Je n'ai ras le bol. Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme À chaque fois, vous ne faites que me demander de l'argent. Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas On t'entend depuis la porte. Hum vraiment cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 000 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine. Donc hier, tu avais donné 250 000 à la jeune mariée. Hmm, à moi, je pense que c'est toi. Hein. Oui, c'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeune mariée et des filles d'honneur aussi. Ah, d'accord. Toi, maintenant, c'est quoi le problème hmm, Cousine, le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les deux autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000 Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Justement, Wayna. Ah, attends. Attends, pourquoi faire autant de dépenses Ils auraient dû programmer les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux. Exactement, c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Anifa a refusé. Wallah, cousine, elle refuse. Attends, sort ton téléphone et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Oui, c'est quoi ces manières Faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Elle croit qu'on ramasse l'argent ou quoi Allô Oui, chérie, comment tu vas <laughs> Eh, justement, je t'appelle concernant les trois cérémonies traditionnelles. S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. Ça sera trois cérémonies traditionnelles successives. On ne peut pas les faire ensemble. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien Oui, mais je ne savais pas que euh, ça demandait autant de dépenses. Chérie, 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hé hey, chérie, Bani, Bakaraïse, Hé, eh, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de deux semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. Diam, je ne vais jamais te hey, Passe-moi le téléphone. Belle sœur, nous te comprenons mais elle vient de réaliser que tout ça engendre énormément de dépenses. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouvez faire les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Mais les gens ne vont pas aimer. Parce toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner Si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, non, non, non, belle soeur, faut pas tout annuler. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord. Faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le paix qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudras également vivre dans de bonnes conditions après le mariage ou bien? Oui, belle sœur. Et n'oublie pas aussi la cérémonie du cocktail, qui demande d'ailleurs beaucoup d'argent vu le nombre d'invités, sans compter l'argent de la dot qu'il a amené, l'argent de la tresse, du henné, des maquillages, etc. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. Si avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire J'ai déjà informé tout le monde et la cérémonie, c'est dans deux semaines. Ah, ne t'en fais pas, ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces en annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras, ma belle, comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée. Ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les trois tenues traditionnelles, surtout nous les filles d'honneur. D'accord. Merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi, chérie, d'avoir contesté ta décision. Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. <laughs> voilà. Merci également à toi cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais dû, pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi merci à toi également belle sœur pour la compréhension puisque les trois cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable ou bien belle sœur. <laughs> en tout cas, ton idée n'est pas mal. Hein. Aha, ah, ah ah vous recommencez. C'est les Allemands qui disent oui, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. Ok, chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi. D'accord, chérie, fais pareil de ton côté. À plus. Belle sœur, bye. Bye bye. Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti offert par les Desk Pharma du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine qui est travail en anglais avec Samira Omoru. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your show Culture linguistique. Chaque 1er mai est célébré à travers le monde la Journée internationale du travail. The International Day of Work is celebrated every 1st May around the world. Vous l'avez deviné, le mot du jour est travail. Travail en anglais veut dire work. Work is being engaged in physical or mental activity in order to achieve a result. That means c'est l'action d'être engagé dans une activité physique ou mentale afin d'obtenir un résultat. Prenons un exemple. She has been worked so hard. That means elle a travaillé très dur. Un dernier exemple. J'aime mon travail, qui veut dire I like my work. À l'occasion de cette journée, les pays du monde entier célèbrent les droits des travailleurs et nombreux citoyens défilent dans les rues pour demander de meilleures conditions de travail. On this day, countries around the world celebrate workers' rights and many citizens march in the streets to demand better working conditions. Ladies and gentlemen, That's all for today. Join us next time, same time, same radio. On se dit à très bientôt. Oui, merci Samira pour euh, cet éclaircissement sur le mot travail. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir euh, l'explication. En anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. studio kalangu zama mi gen hen no information kulkino den na hangan dun ko kuma apre ni be ka atabati labora na sima nan kin information no num saban ka information o mantiya no lokaci de no portable bon da kai ga feri da faransa ne di dama em hangan da zarm sen no ne di dama em hangan o zarin kul man ke man studio kalangu won information e portable bon e portable bon de ne ga zam group o karra ne go zarin kul gi sambirse zarm sen no ka faransa ka hausen no ka akula kuni sambirse wallahi laba ibo eh. agbo da bayan kun za da ba ka igbo eh, kalan wajen ga hanga igbo da gudu ba ikan da labarin ne igbo ba lan ji hane mi da risi sabbi di man san fa fans ci da wani oh, wallahi eh kalangu sigira wo sigiri hande no jama wai burai wani sigira da zan kai tarbiya wodin ni go silen ni bai wodin mo ihen nono am zan kai na wo di mana tarbiya wo sa ko ban dini bo binde. dinne mana tarbiya hannu ta sai kulni bai kan a site ka gaba a wallahi go silanga go ilgo ma akani ma gumo oh, to wallahi ilgo bai imi bon fera imi yaga tonto abo imi ba bon fera imi yaga tonto nungu fo ma gona kan bai nungu fo ma gona kan ku pere gaba imi ga no di hare ima de ikande grupu yam ilsi ilsi te yalla yalla imani hunkuna a gona wala asino waɗ kula eh, gono han kan kuppirote kulu nde heywa gono groupe o gono ege so de goydano ege ɓa em kabadan kalangu e eh, radio ta pabo rese de kalangu bore kursi mda ise midi ise tanganan goyom di jinamat marki ba aino sadu tayru president adede ta ne wasai isdio kalangu fisbilla ah, labare irgo mai kanici gumo izan kwarni ko kan studio kalangu hangan ni gadu labar hanno wadin banda misne ne mama studio kalangu labar dani hausan keno dani zarmano dani fulanno dani ballano shine me amino igidan tabarakallah masha Allah irko ma dise irko ma tera jo mono kan ko da jine. ro da arkan bo kire ba da mutonton tonton gati imu tonton bon fera kigete gete jeno e bondin mutonton tonton aga gomnaton be kan jene so ngere tilabu imcheci ganan gomnaton be kan jene so farga ci bore se Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ici prend fin cette émission de ce lundi 29 avril 2024. Vous étiez accompagné de Mariamade et c'est nos 50%. Et oui, l'édition a été assurée par Adam Adawaki à la technique. C'était tout simplement Abdulkader Kader Chambiano. Chers euh, auditeurs, bon début de semaine à tous. Ciao, ciao.